Eh, Bienvenue dans ce nouveau numéro de Tous à la fada fait par les jeunes et pour les jeunes que vous propose le studio Kalangu chaque week-end. Aujourd'hui, nous avons amené notre micro à Tilabiri ville pour parler de la contribution des jeunes dans le renforcement de la cohésion sociale. Ma'ana, Et pour la présentation de cette émission, vous avez Samira Wafi. L'implication des jeunes dans le renforcement de la cohésion sociale dans une localité est très significatif pour le maintien de la paix, la tolérance et surtout la sociabilité pour mieux assurer la sécurité, surtout en ce moment où les populations se trouvent en constant déplacement faute de sécurité dans la région de Tilaberi et dans quelques parties du pays. La cohésion sociale est plus que nécessaire dans une région comme Tilaberi qui fait face depuis plusieurs années à l'insécurité. Au-delà des initiatives locales surtout menées par les jeunes, des structures comme Trois Frontières, c'est un projet qui porte sur 66 communes des régions de Gao, Tombouctou et Mopti au Mali, 25 communes du nord euh, du Sahel au Burkina Faso et 10 communes de la région de Tilaberi au Niger. Il vise à appuyer le développement socio-économique et à renforcer la cohésion sociale dans les territoires transfrontaliers grâce à ses axes d'accompagnement. Le projet d'appui au renforcement de la cohésion sociale et la prévention de l'extrémisme violent et de la lutte contre les conflits liés à la transhumance du PNUD intervient dans un contexte de dégradation de la situation sécuritaire dans le Sahel et l'Afrique de l'Ouest en général. L'objectif global du projet est de contribuer à une meilleure gouvernance de la prévention de l'extrémisme violent. De façon spécifique, il s'agit de renforcer le dialogue communautaire de façon inclusive entre les différents acteurs, renforcer l'architecture institutionnelle pour la lutte contre l'extrémisme violent, à même améliorer euh, la gouvernance et la communication au niveau national, département et local. Renforcer la prévention et la gestion pacifique des conflits liés à la transhumance. Cela prouve l'implication primordiale des jeunes. Alors, comment amener les jeunes à s'imprégner de la cause matasa de quoi ont-ils besoin pour euh, leur contribution dans le maintien de la cohésion sociale Yaza, et qu'est-ce qui les bloque Pour répondre à ces questions et bien d'autres, nous avons invité des jeunes de la localité sur cette FADA. Et même si nous sommes en région, le concept de la FADA reste le même, chers amis, toujours avec euh, une rubrique rose, la musique et de la chronique. Mais avant de commencer Zamborengu et de Nagaito se gabatre de Kansu, je vais laisser, c'est-à-dire mes invités, se présenter à tour de rôle. Je commence par ma droite. On est avec qui Assalamu alaikum. Euh, Ni surana, sunana euh, Mohamed. Muhammad. Madalla. A kusan shi Mohamed ah, na tare. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni sunana agessa, agessa Dumba enseignant. sanya. Madalla Agaisa. A kusan shi kuma? Assalamu alaikum. Ayo dai ici sai kala Abdul Kadar Umar ne ne sai 11 no. Mu tilabiri. madalla abdulkadir jarga assalamu alaikum baiga martal antagadam nako isemena saliya sabaya kanda etidiyan à l'université de Tel Madala, Ayerga, notre tok selfi de la FADA. Moi, j'ai mon nom ci la de madala Madalla, ai gagan ko bai ni irin kun fada abun ma'ana ina muku barka da zuwa a cikin fadan mu ta yau. Et je sa par ma première question, je commence toujours par ma droite. Ah, Est-ce que vous faites euh, partie d'une association euh, Je fais partie d'une association. Euh, voilà. Et quelles sont les actions que vous menez pour euh, maintenir la cohésion sociale À notre niveau, ce que je vois, il faut qu'on ait une collaboration avec les leaders. Et ça jawo hankalin mutane na, na, jeunes. Aha, kai kun fa bangaren ku me kuke yi wajen kawo matasa su sa kansu cikin harkar maintien de la cohésion sociale يعني كان يغا تج تدهل تدين تود سا مدرت انت تمصنا إن خيم دقي دقنا تمدرت كل ما شاء الله أدين ركب يغفاونا برار أسعارات من دقانينا أجينا تنية تاتين مجينا أنتو كاي أتد وين تدهل نسن ينتدي من دقوهلين ما شاء الله kana iya fassara mana ne a hausa okay bon eh, mu duk inda muke zama haka mu tayar tare da yara eh, kullum muna jawo hankalin su ne abinda yake faruwa eh, vrema yara kar su kawo eh, taimako a wannan mutane abinda su ya kamata su yi su su dinge yi conseil entre eh, eh abinda bai kamata su yi si kar su yi si su yi abubuwa da za su amfani al'umma gaba daya. Mhm. Mm. Madala, a kusan ka samu wani sabon bako da ya zo on a un nouvel invité. Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs s'il te plaît? Je me présente Ali Asman, chauffeur à Dedeita. Madalla, Vala, c'est vous-même euh, on cherche ku ne muke nema Madalla yanzu a matsayin ka na daidaita. Kai wace irin gudunmuwa kake kawa dan ganin an yi maintaining in cohesion social a cikin wannan region ta kusa kuta tilabiri to kan yargite dai dirdi barkan ga irman nanai jini jin boraise kan ginar bora de klare amsa bandi tare ce kwarara zambe burkuddu mo nirgi sambu irgi sambu kwaro boro saji boro kan dai borsingi barkan da mono mai zabo di a wani halo dubur man nana ga borgin ko ga ci hino boraise mm -hmm. amsa ayote goyamti. Madalla. Euh, je reviens à ton niveau. Et toi, tu es élève. Qu'est-ce que vous faites en tant qu'élève pour que la cohésion sociale soit maintenue ici dans votre région de Tilabiri euh, Salam alaikum jama. Waro dai ah, a note no te dang dai ya chineri di irmi yamar. Dang dai warum ste amante im ste feng feng ka im sidi boro imne anu dum filani ya yaringi imne ekarte num ko ya kine ndara mata dum fo je reviens à ton niveau kanda et toi qu'est-ce que tu as à nous dire à propos de ça en tout cas, à travers cette association, on a amené beaucoup d'activités qui rentrent dans le cadre de, la cohésion sociale. Voilà, Madala. Euh, et toi aussi, tu as une nouvelle invitée qui vient de nous rejoindre. Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs eh, Assalamu alaikum. Alaikum assalam. ai madek ti yakuba ai tare ta ma iskuto magasino ikanio to madalla an thank you scoot ifok ta action e karan gogite kan ganan cohesion social o imduga maintainer ne tilbe kwallora wallahi ai kirgogite igogba yoga ba zama alwati ka alwati ta te sensibilisation han fo irum bono te cotisation irum bobon se irum ko imbi se organiser olum ka irum te kwar wolmo irgi hin ko quartier quartier yacine irum bore margu irgi ti sensibilisation dangir gagin kise tiyatar walmin mun fa kare da yacin da walmin mun rigin koy cin yacin da inda fa da yacin da gin fa kare sensibilisation wodin bu alwati ka alwati ga tigo wodin te kan da kawo din nirga e, danga e, activité ga bagu mo kirge mene kullu aiwa sur la paix danga sécurité ma ga kere mu cohésion sociale wodin ma ga sen Euh, je reviens vers toi, notre euh, seule fille euh, de la FADA, euh, Rahamatou Jibo. Toi aussi, tu fais partie des scouts. Quels sont les rôles majeurs des jeunes dans le renforcement de la cohésion sociale tu euh, sociale renforcement igak sine bero dai kan igihin te im skwar ne ha burfum ka dinga se im tun ka inga bon se goce ti zam goce cen dingo ga te han fo yan la sin koy bandi tare cin do goyo a gin won tan kul san bansi ne kula agata yo kan wai se dai ina im ngai Merci beaucoup. Za mu shiga hutun takaitaccen lokaci don sauraron rubrique Rose mu don jin menene 'yan matan studio Kalangu suka kamuna da shi avec le conseil et astuce. Coucou tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles. Une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne. Des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique. Du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traitées et partagées par nos chroniqueuses. Très ravi de vous retrouver dans l'espace rose du studio Kalangu. Cette semaine, nous allons voyager pour découvrir des recettes de galettes sucrées pour le plaisir de nos papilles. De la galette nigérienne appelée massa à la crêpe maghrébienne bagrir, en passant par la crêpe française et le pancake américain. Suivez-nous pour ne pas perdre une miette de ces délices. Première recette d'aujourd'hui. À tout seigneur, tout honneur de couvrir d'abord le massa nigérien. Nous avons préféré sa déclinaison au riz légèrement sucré. Une recette facile et pas chère. Ingrédients pour une vingtaine de galettes. Vous aurez besoin de 500 g de riz, 100 g de sucre semoule, de l'huile pour la friture, une cuillère à café de levure de boulangère ou d'elbou qu'on appelle delbou chez nous, ou yes, et enfin une pincée de sel. Dans un premier temps, lavez le riz plusieurs fois, puis laissez-le tremper deux heures environ. Égouttez et séchez-le quelques instants. Pilez ou faites grossièrement moudre le riz séché. Tamisez. Faites une bouillie avec la partie de la brisure du riz restée dans le tamis. Laissez refroidir et saler. Mélangez la levure dans un demi-verre d'eau Ajoutez à la bouillie ainsi que le sucre et la farine de riz tamisée. Ajoutez un peu d'eau Mélanger pour obtenir une pâte onctueuse. Graissez une petite poêle à fond épais ou une pierre adaptée. Laissez chauffer et versez une demi-louche de la pâte. Laissez cuire sur feu doux et retournez la seconde face pour faire dorer. Vous pouvez ajouter quelques gouttes d'huile pour bien faire dorer votre galette. Saupoudrez de sucre ou de miel, puis servez. Pour notre deuxième recette, cap sur le Maroc pour cette recette facile de bagrir ou crêpe aux mille trous. Pour cette recette, vous aurez besoin d'un verre de farine de blé, deux verres de semoule de blé fine que vous trouverez partout dans les magasins, une cuillère à soupe de levure de boulangère appelée dalbou ou yes chez nous, une pincée de sel, un sachet de levure chimique, quatre verres d'eau tiède. Pour toutes les mesures, vous utiliserez le même verre, qu'il soit ni trop grand ni trop petit. Dans un premier temps, mixez le verre de farine, les deux verres de semoule fine, la levure de boulangère, le sachet de levure chimique et le sel. Puis ajoutez seulement trois verres d'eau tiède et mixez le tout. Une fois que tout est bien mélangé, ajoutez le quatrième verre d'eau tiède, Remixer pendant 2 minutes. Mettez la pâte obtenue dans un saladier, couvrez d'un linge et laissez lever pendant 20 minutes. Une fois la pâte levée, hulez légèrement votre poêle et chauffez-la à feu doux. Pour finir, versez une louche de pâte dans la poêle et laissez cuire que d'un seul côté. Utilisez un couscoussier pour couvrir votre poêle pour faire bien cuire l'autre côté. Attention, si vous mettez le couvercle, votre bagrir sera pâteux. La crêpe est cuite lorsque tous les trous se sont formés et que le dessous est bien doré. Déposez sur un linge au fur et à mesure de la cuisson. Surtout ne pas les empiler les unes sur les autres. C'est fini pour aujourd'hui, pour l'espace cuisine d'aujourd'hui. Passons à présent à la beauté avec Mariam. Coucou mes loulous, vous allez bien j'espère. Aujourd'hui avec moi Mariam, on va parler de l'importance du démaquillage. La peau d'une manière générale et celle du visage en particulier au cours de la journée est exposée à toutes sortes de pollutions qui laissent des résidus. Ainsi, même si après une journée assez épuisante, prendre un bain et se coucher sont les priorités, une place devra toujours être accordée au démaquillage que vous vous maquillez ou non, le nettoyage de la peau s'avère indispensable pour préserver la beauté et la fraîcheur. Le maquillage permet de prévenir l'apparition de boutons et points noirs. Les résidus laissés par le maquillage, la pollution ou la cire tout au long de la journée forment par la suite une sorte de pellicule sur la peau qui bouche à court terme le pores et favorise l'apparition des boutons. Si la peau n'est pas nettoyée correctement, elle ne respire pas bien et absorbe ces impuretés qui ont été laissées à sa surface. La routine du démaquillage par ses vertus nettoyantes, voire hydratantes, permet donc d'éviter la formation de ces boutons, de points noirs ainsi que l'apparition précoce des rides. Elle vous débarrasse de toutes ces impuretés qui finissent par tenir votre peau et la rendre même grasse. Cette dernière arrive alors à mieux respirer et devient plus éclatante. Demain, nous reviendrons plus en détail sur les produits nécessaires pour le démaquillage. C'est tout pour aujourd'hui. On se dit à demain pour encore plus de bons plans sur la rubrique rose. De retour euh, dans notre émission, chers auditeurs, je vous rappelle que nous sommes dans la commune urbaine de Tilaberi pour parler de la contribution des jeunes dans le renforcement de la cohésion sociale. Voilà, zan da ba tambayoyin nawa, zan dawo ta voilà, de quoi les jeunes ont-ils besoin pour maintenir la cohésion sociale Selon toi, tu es jeune, tu es ici dans la région de Tilaberi, tu vois ce qui se passe. Selon toi, qu'est-ce qui leur manque pour que vraiment qu'ils puissent contribuer à la cohésion sociale Bon, selon moi, ce que je vois euh, pour diminuer la, la, délinquance, Il y a Kamata, y a Kamata, a samu yanzu ka ganin ka le fait que ya trop de délinquance yana hana jeunes su sakan su cikin harkar maintien de la cohésion sociale in to akwai saboda wasu akwai manque de travail ma yana sa yana sa su su ciga wasu abubuwa da bai kamata su wai wai to vraiment il faut qu'on les cherche des activités à faire to madalla zan dawo ta bangaren ka a gaisa to a ce tu es enseignant tu as dit en tant qu'est-ce que tu fais dans ta classe ou bien dans l'ensemble même de l'établissement pour que les jeunes à qui tu inculques de l'éducation puissent vraiment euh, s'imprégner de ce qui est cohésion sociale et pouvoir eux-mêmes à leur tour intervenir dans leur famille, dans leur quartier et là où ils partent jouer. parfois, euh, je profite de mes cours euh, pour sensibiliser mes élèves et les élèves de la cour, de toute la cour, vraiment de ce qui se passe actuellement à Tilabiri. voilà, mm. surtout euh, les 15 minutes de la leçon de morale parfois j'attire leur attention comme je me trouve actuellement dans un milieu euh, d'insécurité mm-hmm. là où j'enseigne mm-hmm. vraiment nous sommes dans un milieu d'insécurité donc euh, c'est où la zone dans laquelle vous, vous enseignez la zone, euh, euh, la, commune euh, rurale de Sakora mhm. plus précisément dans les villages de Tagantassou. Donc, si je comprends, la commune, le village là est souvent victime d'agressions. Oui, oui, oui. Tout récemment, même ces malfaiteurs, ces bandits armés ont venu emporter leur bétail. Ça n'a même pas fait peut-être dix 10 jours maintenant. Espérons vraiment que cette émission va les impacter et pouvoir un peu changer la mentalité des gens pour que, votre population soit plus en sécurité. Merci beaucoup. Je reviens vers toi, très jeune ami. <laughs> Voilà, la question que je vais te poser est la suivante. Ici, dans la commune urbaine de Tilabiri, ce climat d'insécurité, est-ce que ça n'installe pas une certaine méfiance entre les jeunes et le reste de la population, surtout vous qui prenez n'importe qui euh, dans vos moyens de transport ni bumbo da hali hal bon lakkalo go warga bor sini koy zama so am stugin sai kulira de de ta koy bumbo da danga igin sang danga teori siya ne iga ine inda go an ayo an complicité zama ayo ko ade de ta koy bumbo da jere kan bora wo kan menwaro kirko ga wo kirko gano asato agi cecingim debe wo kan asudu iga isansa ayo ayo ise essence fraude gisambu konda ise igungwari ravitaye konda ise orke modu mo kuli di ato lokcon kan yin baga ine ayo me sakwar me adai de ta sing fatta kadem mu kai na da sakwar me bore ne go se yinga koi hala nan kan bi sakwara zama aiwa haikan si ciyadin da bayan haiwa mu kai go ci a daidaita ko era igo gudu wodi yandumu me so ir ko nungu bonara igo ceci la karkana igo borai sensibiliser kan nan borai mdu faham in kuna borme ngoro kir ko en borno kaina kan boddu aga bor murado te bisa bor mu de bu koy wo bor wondo madalla kun dai shi abin da ya ce shi dai matukin a daidaita ne kuma ya ce wa'annan wannan rashin tsaron yana kawo rashin yarda tsakanin al'umma da su tsakanin su ma matasa tunda a cikin su ma 'yan adaidaita akwai mugaye wa'anda ba su yi da ke iya ɗauka esansi ko ko su ɗauki abinci suna kai ma 'yan ta'adda da ke cikin daji don kuma su yi mutane banna daga baya wannan kenan abu ne da baya da kyau kuma yana ji hankalin sauran matasa masu adaidaita nan nan jihar tilberi da su mai da hankali bisa kan ɗan kaɗan da suke nan ga samu allah ya samu wannan albarka zan dawo ta ɓangaren kike ce mace guda kaɗai da muke da anan cikin wannan fada ta samu zan bi ki da wannan tambayar shin wannan rashin tsaro yana nan ga kawo rashin yarda tsakanin ku matasa da sauran al'umma kuma da yake kina cikin harkar skut in nan menene kuke yi a cikin kungiyar ku na ganin cewa wannan kin yarda bai shiga ba tsakanin matasa da sauran al'umma Uh, oui, on mène des activités car on fait des sensibilisations partout, et dans la ville, dans les quartiers et parfois même dans les départements de tilaberi on mène nos activités là-bas. Et beaucoup de femmes. Est-ce que votre cible, c'est les jeunes comme vous ou bien vous, vous, faites, vous, vous faites intervenir même les parents, les, personnes euh, un peu plus âgées Oui, bien sûr. On fait sensibiliser tout le monde, les jeunes, nos parents, les adultes, tout le monde. de Et toi, en tant qu'élève, nous savons qu'à l'école, il y a beaucoup de personnes qui se rencontrent et souvent le fait qu'il n'y a pas la sécurité peut amener certains à se décourager, à ne même pas venir à l'école. Parce que je suis sûre qu'il y a certains qui ne sont pas dans tilaberi mais qui se déplacent de quelque part pour venir. Est-ce que cela affecte vos études et aussi votre sociabilité avec ceux qui viennent de, loin où on dit peut-être dans leur village là il y a quelqu'un qui est mauvais il y a eh, quelqu'un qui est dans ces groupes armés là qui font du mal wiyande no matkan aran cida zama hon kuna e kolo do ir bor jamano ucer ko borcinde fun hal kawi im ka gallora mi borcinde garne odin kan kan nang ne bor sinane cer ga moda zamana fon zam bor sai matkan no han fon bara kan fun kawidin matka ka da bor cer be yade nirgane e pi woni mandon boru ne kolo do bo ba wodi mbo bo bor kan sira me ngay mbo woni cewdo sigdu ka zam han fon di fon sinu kan ka bora sudu ka gicowote dol kalam di boray din cinin wa mi gana me di kane irgir ko kare te go ya mar kan nan dang dai du bora fi ye yang num si di bora fo am no hay kain fo se num bora gan so ga wodin te ay kaman bori to madalla za mu yi dan hutun kuma na takaitaccen lokaci amma wanga gami ba mu sauraron gobe ko sai dai mu shakata da wannan sauti sai mu dawo a cikin wannan shirin namu na duka mu hada fada. Man getting high till I fade out. If the vibe no pure on my way out, Bula balu. Anytime we step out, the men them outside, we know they house. No they look for us, we know they house. But they see the mula, we don't spray out. Thank God, said the maga don't pay out. Okay, oh, oh, oh. see. I'm ahead of them, I she what true. I'm a fucking baller, you got only me. No man fit talk shit to me, me me, you go collect oh. See, I'm on a me, the leader, she what true. I'm a fucking baller, you got only me. No man fit talk shit to me, me me, you go collect oh. Cheers to my friends and click. When I call them, I all pulling up. We strapped up with the guns and the swords and things. Bring hell to anybody who try to test me. I'm your dad, I'm your uncle, I'm your popsy. I be old man, no go, they call me Gen Z. Red I see, steady giving them gap, multi love far. They can never near me. I smile a lover, just go. My own wife, don't show. I'm on my polo white, my face show. Sweet boy for life, you don't know. You're serious, babe, they worry my phone. Then this up for back, you don't know. Every day we dey run among cold, supposed to know how the thing go. Man, get in high till I fade out. If the vibe no pure, on my way out. a look, anytime we stay past. The men them outside, we know they ask. No, they look for us, we know they ask. No, they see the mullah, we don't spray out. Thank God, said the maga don't pay out. Okay, oh, oh, oh. oh of them as she want you. I'm a fucking baller, you don't me. No man fit talk shit to me, me me. You go collect oh. See, I'm on a me, the leader she want you. I'm a fucking baller, you don't me. No man fit talk shit to me, me me. You go collect oh. Ah, I'm on a different stage. Singlet belt and ripped out jean. Make nobody try stress me. I know be JJC. I don't know if you get it on it up rating. I feel with Mun dawo daga ina fatan wannan faifan ya ku. Je vous rappelle que nous sommes dans la commune urbaine de Tilabiri pour parler de gudunmuwan matasa a cikin karfafa haɗin kan al'umma. Et j'enchaîne avec mes questions. Voilà, Yakuba, tu es jeune scout, tu es aussi chauffeur euh, de tricycle à Deideita. Selon toi, à travers tout ce que tu vois,

zama adam kukan babu kukan numon hannu man nane da wanda gamara sibe mat kanik tek faman da borasi amma traver wod nigdi an fo nigdi ade tar han to bora non gora mo nigi fakare da wanda bora gamara nig so be de bora eh, hore da kan de ni baso di to sanni kin nodin goga ci bora si bora ba amana ba ga yadin saga manisi ba amana yadin sai nodin mo da ko hu han fo yan a gura lakkale ra kan ganan burodin wallahi be kin asano da gono ba amana yadin nodin gora mo hannu yangi te kan la sabai da de bor fo mo ge gidwa se gi chasi zang de irim sifar ga de de wat kan da zai mhm. ni fa kare da bora wod lakal kana bon mhm. da ko zo mu hay kul kan de mono ba mane den se bor fogono kan da tukun wana ga kan no bora age da den madalla kun da shi daga bakin yakuba abin da ya ce mana yana kwatanta mana cewa aikin gana shi na a daidaita da yake wannan na bashi damar mika sako da jan hankalin waɗanda ke shiga a cikin eh, abun hawan shi da ya jawo hankalin su bisa kan wannan haɗin kan al'umma kuma ya ce ko da mutum bai saurari ka ba nan kai tsaye in ya ta gida za ya lissahi ya nazari ma kan sai ganda wallahi abun da ya gaya mishi na haka nan ne kenan ina gane wannan yana bashi damar amfani da hakan dan mika sakonni kuma hakan yana da kyau to sai eh, ki veut dire que eh, ça t'est vraiment utile pour euh, pouvoir passer tes messages et aussi euh, le fait est-ce que ça te donne aussi des idées pour pouvoir intégrer dans ta vie associative wallahi abogaino zama zai mantare ta iskuto igonara la sabu ga jirgu ko jiridu to wat ku kancinin cer margu igin dondo ngande matkan no tek selam bal beriyansi asi wonde no gisandi matkan tek selam kele rad zankaira wa kula kul zama irbum bo kunyi kunyi annobo mhm. jirta ayo eh, dan kanan ta ci ni inti matkan tek selam zankaira albere rad barkan bisinin den wadde matukan yau ni salam bore dira ka bar tek bor di ga gabar fu hanga mhm. kendi ga bai matkan daga ba ta dan zan dawo ta bangaren ki a ganin ki inda aka samu aka rike wannan haɗin kan al'umma wani irin canji zai iya kawo a cikin wannan jihar ta tilibiri ça va beaucoup de changements au niveau même de la paix parce que maintenant les gens ont catégoriquement peur de sortir même de la ville de Tilaberi mhm. par peur d'être attaqué ou bien par peur de s'affronter aux bandits. Mais donc, si la cohésion et la paix sont maintenues, il y aura un peu de tranquillité dans la ville aussi. voilà, merci beaucoup, Ahmad. Je reviens vers toi, Mahamadou. Selon toi, si euh, la cohésion sociale est maintenue, qu'est-ce que cela pourrait apporter pour la région de Tilabiri à samu à ganinka? a euh, in cohésion sociale ta na à vraiment c'est bien quand même euh, euh, on, confiance entre nous euh, et toi par rapport à l'enseignement Qu'est-ce que cela pourrait apporter comme changement dans ton village qui est récemment attaqué si cette cohésion sociale est maintenue Bon, ça va apporter beaucoup de choses parce que, vous, comme vous l'avez dit, vous savez que sans l'esprit tranquille, on ne peut pas travailler. Et une fois que euh, la paix est revenue, nous les enseignants, nous, aurons l'esprit tranquille pour bien travailler. Et comme tout de suite, euh, euh, apparemment, à cela vraiment, on n'a pas l'esprit tranquille pour bien travailler. Et c'est l'esprit tranquille qui travaille. Merci. Kai kuma a matsayinka na matukin eh, babur in eh, a daidaita in aka samu aka rike wannan zaman lahiyan da haɗin kan al'umma wani irin canji zai iya kawowa cikin aikin da kai kake yi. Wala canji mun bobu na kate zan kuna halla kalkanai gono kulki hin hingiti hai kulki ba igiwin da kwai nan kulki ba surtu mo koi ne da era kan idan er kai gina air ya ci ne bore sa fata bore si sirki le mm. hadda le kalkana ye ka borai go libri ta kulkan yi ba igi ma akani aga bori irga ma akani mo hadda le kalkana ye ka irko arara wala madalla abdulkadir na dawo ta bangaren ka a matsayin ka na dalibi in aka samu an kai mentioning in wannan haɗin kan al'umma wani irin canji zai iya kawo cikin ka ta dalibi wato to canji ma ka kan da ingilo ta dangdai lakkalai kawo

Voilà, je te donne la dernière parole. Et toi, selon toi, quel changement ça pourrait apporter pour la région et aussi pour euh, les gens qui sont dans la vie associative si le maintien de la cohésion sociale est fait Oui, merci. Premièrement, tant qu'il n'y a pas de cohésion sociale, il n'y aura pas de paix. Tant qu'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de développement. Et s'il y a la, la cohésion sociale, cela va nous permettre d'aller faire nos activités à, l'extérieur même de, la ville de Tilabiri. Et aujourd'hui, à cause de cette insécurité, nous ne pouvons pas déplacer pour aller faire des sensibilisations. Aujourd'hui, nous sommes des leaders respectifs de nos villages euh, de la commune de Sakwara. Mhm. Nous voulons euh, aller faire des sensibilisations dans nos villages respectifs, mais à cause de cette insécurité, nous ne pouvons pas déplacer. Mhm. Mais s'il y a la paix, on peut aller se déplacer pour mener nos activités mhm. tranquillement, sans pour autant être euh, yanke madalla kun dai shi ta daga bakin shi shi a ganin shi inda aka samu aka girkar da wannan haɗin kan al'umma wannan zai kawo canji mai mahimmanci cikin rayuwa kowane daga cikin su akwai waɗanda za su ci gaba da aiki su don sun ce in babu zaman lahiya da haɗin kai aiki ba yiwuwa akwai waɗanda eh, ta hanyar wannan zaman lahiya ne an kai aikin su za su samu su kawata daga masu karatu ma su ma suna sa yan uwansu wanda ba su samu damar shiga lakwal ba ko wanda suka bar lakwal saboda rashin kwanciyar hankali su ma za su koma wanda ke cikin kungiyoyi kuma na matasa suna fatan a samu wannan haɗin kan al'umma da zaman lahiya saboda su ma su samu su ta a cikin ƙauyukansu don zuwa su waye mutane kai kuma su jawo su bisa kan abin da dai ya kamata maintenant nous allons écouter Olivier avec sa chronique Amis auditrices et auditeurs, bonsoir. Dans la chronique de ce soir, je vais aborder la hausse des prix de la connexion Internet dans les pays voisins et aussi la mobilisation des internautes pour faire plier les opérateurs. Il vous souviendra qu'il y a quelques semaines, les sociétés de téléphonie mobile au Niger ont augmenté le prix de la connexion. Un pays ouest-africain a traversé la même situation cette semaine. Et ce pays, c'est la Côte d'Ivoire. La détermination des internautes, qu'ils soient artistes, hommes politiques, leur volonté à faire revenir les opérateurs téléphoniques sur leurs décisions était tellement immense que finalement, bah, les opérateurs sont revenus sur la décision. Et dans cette chronique, je vous propose les conséquences de l'augmentation des tarifs de connexion Internet sur les internautes sahéliens. J'ai fait des recherches et voici ce que je vous propose. La hausse des prix de connexion Internet a un impact négatif sur les pays du Sahel qui sont déjà confrontés à de nombreux défis économiques et sociaux. Les coûts élevés de l'accès à Internet ont des répercussions sur l'éducation, la santé, les affaires et la communication dans ces pays. L'un des principaux impacts de la hausse des prix des connexions Internet dans les pays du Sahel est l'accès limité à l'information et à l'éducation. Les coûts élevés d'accès à Internet rendent l'éducation en ligne et les ressources éducatives numériques inaccessibles, voire impossibles pour de nombreux élèves et étudiants. Cela a un impact direct sur la qualité de l'éducation et les perspectives d'avenir de la jeunesse de ces pays. La hausse des prix de connexion Internet a également un impact sur la santé publique dans les pays du Sahel les coûts élevés de l'accès à Internet limitent la capacité des professionnels de la santé à accéder à des informations médicales et à se former aux dernières avancées technologiques en matière de santé. Les patients sont également touchés car l'accès à des services de santé en ligne est presque inexistant. En termes d'affaires, la hausse des prix de connexion Internet a un impact sur la croissance économique des pays du Sahel. Au Niger, par exemple, les entreprises ont besoin d'accéder à des outils en ligne pour la gestion de leurs affaires, la recherche de nouveaux marchés, la publicité et les ventes en ligne. La hausse des prix de connexion Internet limite leur accès à ces outils et donc leur potentielle croissance. Enfin, la hausse des prix de connexion Internet a un impact sur la communication et la connectivité des pays du Sahel. Les coûts élevés de l'accès à Internet rendent difficile la communication entre les personnes, les familles, les amis, les communautés. En conclusion, la hausse des prix de connexion Internet a un impact négatif sur les pays du Sahel en général et sur le Niger en particulier. D'ici là, portez-vous bien et surtout, soyons connectés pour aller décrocher les étoiles. Merci Olivier pour euh, la chronique. Euh, c'est ici que prend fin cette émission. Vous avez entendu la vie euh, de nos jeunes. Ils font partie des membres d'associations, ils sont des scouts, il y a des enseignants, il y a aussi euh, des activistes, des élèves autour de moi aujourd'hui. Kun da jitar ga bakin su, kun ji fatan da suke yi bisa kan wannan canji da ya kamata a samu, kuma kun ji irin wahalhalun da suke gani musamman a cikin wuraren da babu kwanciyar hankali. To muna fatan dai nan zuwa gaba komai zai wakana komai zai tafi yadda ake so inda aka samu aka girka wannan zaman lahiya da kuma haɗin kan al'umma kun dai cikin wannan fadar tamu ta yau a nan cikin jihar talabere mun samu zanci mun samu zamanci kuma nima na haɗa da hausa a nan zan ce muka haza wasu sai wani sati mai zuwa mun ƙara haɗuwa.